Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu qui sont relayés par 46 radios partenaires sur l'ensemble du territoire. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Le thème d'aujourd'hui porte sur les mesures d'adaptation au changement climatique dans le domaine de l'agriculture au Niger. Au Niger, l'agriculture représente le secteur clé de l'économie, contribuant ainsi 50% du PIB. Cependant, ce secteur fait face à d'énormes difficultés liées au changement climatique, un problème de l'environnement qui fait qu'aujourd'hui, les productions agricoles ne répondent plus aux attentes des agriculteurs en termes de rendement. On assiste de plus en plus à des retards ou une baisse de la pluviométrie, des inondations et des sécheresses pour ne citer que cela. Le changement climatique a déjà eu et continue d'avoir des répercussions négatives sur le secteur agricole. Alors, quel impact le changement climatique a sur l'agriculture Comment les agriculteurs arrivent-ils à s'adapter aux effets du changement climatique Quelles sont les mesures d'adaptation efficaces au changement climatique Pour échanger autour de ces questions, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Moussa Boureima, ingénieur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, INRAN. Bonsoir Moussa. Bonsoir madame, merci. Docteur Moussa Hassan Ousseini, chargé de programme de la structure jeune volontaire de l'Environnement. Bonsoir docteur Moussa. Bonsoir, bonsoir. Merci donc de répondre à notre invitation. Je suis Fatih Zakari à la présentation. Veuillez donc euh, nous présenter vos structures euh, respectives. Je commence euh, par Moussa Boureima, ingénieur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, INRAN. Merci, madame. Je tiens sincèrement à remercier le studio Kalangou pour avoir bien voulu nous donner cette opportunité d'échanger dans ce forum autour d'une thématique aussi importante que le changement climatique et l'adaptation à ce phénomène dans nos pays africains et plus précisément au Niger. Vous connaissez l'INRAN, c'est une institution de recherche agronomique. L'INRAN euh, travaille en tout cas dans le secteur euh, de la recherche et nous travaillons autour pratiquement de toutes les thématiques. Nous avions au sein de l'INRAN des départements. Moi, je fais partie du département d'économie, sociologie rurale et transfert de technologie qui sert d'interface aux autres départements qui existent dans le au niveau de l'Institut. Nous sommes euh, directement et en contact avec les producteurs. Mhm. Docteur Moussa Hassan Ousseni, vous êtes chargé de programme de la structure Jeunes Volontaires de l'Environnement. Présentez-nous donc votre structure. Donc, merci bien pour nous avoir invités à parler, partager notre expérience autour de questions de l'adaptation face au changement climatique. Mm-hmm. Donc, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, c'est une structure assez jeune qui date de 2009. Mm-hmm. Et de 2009 à nos jours, euh, nous sommes en train d'œuvrer dans la protection de l'environnement, dans la justice sociale et la protection des ressources donc euh, nous intervenons dans le cadre de la justice climatique, euh, dans les fonds climat, dans mhm. les questions d'adaptation. Nous intervenons aussi euh, surtout l'implication donc des femmes et des jeunes au niveau des décisions locales et aussi de leur implication intégrale sur les questions donc de leur milieu et sur mhm. les questions aussi de leur environnement qui est véritablement donc notre chemin de bataille. Moussa Bourema, ingénieur donc à l'INRAN, quelle définition faut-il donner au changement climatique Vous savez, c'est vrai, il y a plusieurs définitions, mhm. mais je vais vous donner une définition eh, universelle, mhm. pas universelle, entre griffes. Le changement climatique a toujours été l'objet de controverses scientifiques. Et en 1988, il y a eu un groupe qui s'est créé, qui a été créé au niveau international, qui s'appelle le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, c'est le GIEC. Donc aujourd'hui, il n'y a que ce groupe qui a notoriété de parler scientifiquement de changement climatique. Mhm. Et dans un rapport que le groupe a produit en 2007, mhm. ils ont défini les changements climatiques comme des changements qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine, altérant mhm. la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observé au cours de périodes comparables. Donc ça renvoie à plusieurs notions. Mhm. Pourquoi le secteur agricole est-il plus vulnérable au changement climatique que d'autres Bon, ben, pour répondre à cela, vous venez de le dire, vous dites que et la grande majorité de la communauté nigérienne tire ses moyens de subsistance de l'agriculture. Mhm. Moi, je préfère même euh, agriculture avec un grand tas. Mhm. Aujourd'hui, on ne parle plus d'agriculteurs, on mhm. parle dagro Il y a euh, ces gens-là, ils font beaucoup de choses. Et, si vous regardez ces agro là aujourd'hui, les agriculteurs, c'est même euh, eux, ils cherchent à s'adapter. Est-ce que vous voyez Ils ne vivent que de ça. Et chaque fois, ils font des efforts pour s'ajuster. Il y a un problème qui est là, si tu vois que l'agriculture, telle que tu le, pratiques, ça veut dire les cultures céréalières que tu mets dans ton champ, mm-hmm. tu vois que tu as parlé de baisse, beaucoup de choses, on va mm-hmm. en revenir. Mm-hmm. Tout naturellement, tu vois, les femmes font la volaille, ils font le petit élevage, il cherchent. Est-ce que tu vois mhm, Ça veut dire mhm. que c'est parce que ils ne font que ça et tout leur moyen de subsistance, ils le tirent de ça. Mhm. C'est pour ça que l'agriculture est impactée. Et le substrat productif, si tu vois, tout ce dont nous allons parler comme effet du changement climatique, va directement impacter le substrat productif. Ça agit sur la terre, c'est dedans qu'ils sèment, c'est sur ça qu'ils ont des semences, et c'est de quoi manger. Les animaux tirent de ça. Les pêcheurs c'est la terre, mm. c'est toujours les mares, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qu'ils tirent dedans. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'agriculture est véritablement et le secteur le plus impacté. Docteur Moussa Hassan, chargé de programme à la structure jeune volontaire de l'environnement, quelles sont les régions du Niger où l'on est susceptible de constater le changement climatique Ici au Niger, euh, l'impact est commun dans toutes les zones. Mhm. La, principale activité au Niger, euh, vous l'avez dit, 50% euh, du PIB c'est sur l'agriculture et j'aime ce que mon collègue donc de l'INRA a dit, mhm. l'agriculture avec grand A, parce que qu'il y a la culture comme les gens l'entendent, de mhm. l'agriculture, il y a l'élevage, il y a la pêche. Mhm. Mais tout cela, euh, il dépend d'une source qui est la pluviométrie. Mhm, et aujourd'hui, le changement climatique accentue le phénomène de sécheresse. Mhm. L'eau n'arrive à suffire euh, l'espace euh, des zones qui sont cultivables et au niveau du nord où on, on, sait que ce sont des, surtout des pasteurs aussi, la pluviométrie n'est pas assez suffisante pour permettre le développement donc pour les pâturages et consorts. Donc ce qui veut dire que aujourd'hui par les effets de ce changement climatique-là, euh, tout le Niger est impacté. Maintenant, le type d'impact, certains, c'est une baisse de la production agricole, d'autres, c'est une baisse euh, au niveau de leur cheptel, et d'autres, c'est même au niveau donc de leur activité de la pêche et consorts. Et, c'est ça euh, les, effets. Donc, chacun en mm. fonction de son activité, parce que l'activité, là, elle est liée à la pluviométrie, mm-hmm. et cette pluviométrie, elle est mal répartie, très mal répartie d'ailleurs. Et déjà, même, nous, au Niger, même sans parler du changement climatique, nous sommes dans une zone sahélienne où les questions donc d'insuffisance liées à la pluviométrie, ça fait partie des signes caractéristiques donc du climat sahélien qui est le climat aride. Mhm. Et ajouter donc à les effets du changement climatique, cela mhm. ne fait que tout simplement qu'accentuer le phénomène de cette sécheresse. Mhm. Moussa Bouraima, ingénieur de recherche à l'INRAN, est-ce que euh, les paysans sont conscients de l'existence et de la réalité du changement climatique au Niger C'est véritablement une question très pertinente. Et comme j'ai eu à le dire dans ma présentation, ça fait en tout cas aujourd'hui, mhm. il y a des approches que nous avions développées. On a eu à faire euh, un ouvrage euh, au niveau régional. Mhm. qui s'appelle l'analyse participative de vulnérabilité et d'adaptation au changement climatique que nous mhm. avions fait et dont je suis le lead. Et il y a des outils que nous avions appliqués pour euh, recueillir des informations auprès des producteurs. Et chaque fois, nous les, nous les faisons en assemblée villageoise ou en focus avec des producteurs focus hommes, focus enfants, focus jeunes, parce que dans tous les cas, toutes les composantes de la société sont impactées par le changement climatique. Et maintenant, les paysans, on discute avec eux. Mm. Les paysans, à l'époque, ils avaient un déterminisme. Ça veut dire, euh, à chaque période, mm-hmm. ils ont des vécus, ils savent des choses. Mm-hmm. Et vous savez, vous vous rappelez quand on était en France, quand les hirondelles commencent à venir, et dans tous les villages, on dit que ah, bientôt la pluie va s'installer, n'est-ce pas mm-hmm. Et vous aviez également des producteurs qui ont observé mhm. la fructification de certaines espèces forestières. Vous alliez voir euh, des espèces forestières qui fructifient ou qui fleurissent à certaines périodes. Les producteurs, je t'ai dit, ils ont un savoir, mhm. un savoir endogène qui leur permet de voir ce qui se passe dans la nature et ils l'observent. Mhm. Et ils vous disent, dès que vous voyez telle période, au bout d'un certain temps, on est sûr que la pluie va s'installer. Si on voit tel phénomène se produire, au bout d'un 30 jours, 25 jours après, vous allez voir les premières pluies vont s'installer. Est-ce que vous voyez Maintenant, ils l'ont perdu. Mhm. Ce déterminisme n'existe plus. Et vous allez voir dans plusieurs villages, quand vous discutez avec eux, ils vont vous dire que réellement, ceux qu'on connaissait, les, les, anciens, pas les jeunes de maintenant, mhm. les anciens qui ont plus de 100 ans, mhm. qui se rappellent de ce qu'ils ont vécu, ils vont vous dire, ah, avant, dès qu'on voyait ça, il pleut. Ils ont des connaissances. C'est comme si c'est un ordinateur de la tête qui est mhm. perturbé, quoi. Mhm. Ils ne se retrouvent plus. Et ils disent donc qu'il y a un changement. Mhm. Donc, vous voyez, ils sont unanimes là-dessus. Donc, au niveau des paysans, aujourd'hui, partout où vous discutez, ils vont vous dire ça. C'est pas ce que nous connaissons avant parce que on n'arrive plus à dire exactement ce qui va se produire. Donc le climat a changé. Ils sont sûrs et ils sont conscients qu'il y a eu un changement. Docteur Moussassan, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire Moussa Bourema Oui, effectivement, les, producteurs locaux, les paysans, ils ont des connaissances et ils perçoivent ce changement-là. Même mhm. eux, ils disent que ça ne va pas, ce n'est pas comme d'habitude. Mhm. Par exemple, ils ont, comme il a si bien dit, euh, mhm. il y a des signes indicateurs qu'ils ont. j'aime bien l'exemple de l'hirondelle parce que mhm. dès qu'on voit ça, on sait que c'est la pluie qui va arriver. Aujourd'hui, en fait, tu vas même voir la pluie arriver, tu vas même pas voir l'hirondelle. Même elle, elle se cherche, donc ça ne va pas. Donc ce sont des signes qui sont euh, assez euh, indicateurs du climat que ils ont pas parce qu'ils ont été à l'école, mais mhm. avec l'habitude des différentes pratiques de l'agriculture qu'ils font, ils ont perçu ces différents changements-là. Et c'est à partir de ces changements aujourd'hui, quand vous venez, même vous discutez avec eux, mhm. même eux, ils vont vous dire... Eh, qu'est-ce qui se passe, notre climat-là, qu'est-ce qui se passe Nous, eh, ils ne vont pas peut-être vous donner les informations que vous, vous avez apprises du point de vue scientifique, mhm. mais ils vont vous donner des faits, mhm. des faits qui sont concrets, qui sont eh, sur la base fondée par leur vécu et qui montrent qu'effectivement, il y a un changement et aujourd'hui, la communauté locale, vous mhm. partez, vous allez appeler ça changement climatique, mais eux, ils savent que leur climat n'est pas en bonne santé. Nous entamons à présent la deuxième partie de cette émission sur les difficultés que cela pose aux agriculteurs. Docteur Moussa Hassan Ousseini, chargé de programme à la structure jeune volontaire de l'environnement, quelles sont les difficultés que pose le changement climatique aux agriculteurs euh, Le changement climatique impacte très négativement euh, l'activité agricole. Vous avez par exemple la baisse de rendement. Mhm. Aujourd'hui, euh, les producteurs n'arrivent plus à produire comme ils ont à l'habitude de produire à cela, par exemple, donc l'augmentation de la population qui fait qu'aujourd'hui, certains pratiques anciennes telles que la jachère, ils n'arrivent plus à les faire. Mhm. Donc la terre, elle est sur surutilisée et maintenant, il n'y a pas de pluie liée donc au phénomène de sécheresse qui est surtout occasionné davantage par les effets du changement climatique. Donc ce qui justifie la baisse du rendement. Mhm. Vous pratez au niveau du pâturage, euh, les éleveurs aujourd'hui sont en train de perdre leur cheptel. Mhm. Donc il y certains ils sont en train de vendre certains sont en train de migrer et c'est ça aujourd'hui, par exemple, qui a beaucoup de problèmes liés, par exemple, au conflit agriculteur-éleveur parce mhm. que les éleveurs n'arrivent plus à nourrir par manque de pâturage leur cheptel mhm. et c'est pourquoi ils cherchent à grignoter. Vous allez voir normalement en début de l'activité mhm. agricole, on a le conflit là et vers la fin, euh, vous avez toujours donc euh, des, dans des endroits où ces conflits existent toujours des, des éleveurs qui viennent généralement c'est la nuit pour laisser les animaux Tout ça là, c'est pour mhm. essayer de nourrir leurs animaux par manque de pâturage. Mhm. Donc ça, c'est un effet important aussi. Vous partez au niveau, par exemple, des, des gens qui font la pêche, mhm. surtout dans la zone du fleuve, au niveau de la Koumadougou, au niveau des quelques mares, donc à l'intérieur du pays. Vous avez le problème aujourd'hui de baisse de biodiversité aquatique. Les poissons sont de moins en moins présents au niveau du milieu aquatique. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les pêcheurs sont en train aussi de souffrir de ce problème Mhm, et on sait que euh, ça fait partie des effets négatifs, même à l'échelle planétaire, la mhm. baisse de la biodiversité qui occasionne euh, le changement climatique et surtout au niveau de l'activité de la pêche les pêcheurs aujourd'hui, vous allez voir euh, un pêcheur avec sa pirogue, euh, mhm. mais ce qu'il est en train de pêcher, c'est pas du poisson, c'est mhm. des alevins. Mhm. Donc c'est des tout tout petits poissons qu'il pêche et ça, ça va seulement augmenter cet effet de rarification des poissons dans le milieu et dans le milieu aquatique. Donc ça, c'est véritablement des effets qui sont assez conséquents. Il y a une baisse considérable de la production de ces fruits-là. Il y a beaucoup de ces, de ces arbres fruitiers sauvages qui sont en train de disparaître par ce phénomène-là et quelque part aussi corrélé surtout à l'activité de l'homme parce qu'on sait qu'au Niger, par exemple, 95% des ménages utilisent le bois et mhm. le bois de plus en plus est en train d'être rarifié. Mhm. Et bien sûr, la coupe abusive du bois, ça fait partie aussi des effets qui causent le changement climatique. Et ici, surtout au Niger, ce phénomène-là, euh, euh, va de plus en, est en train de plus en plus donc euh, à être ressenti le manque de bois mhm. et c'est un effet assez considérable qu'il faut souligner tout ça là ce sont des effets qui d'une manière ou d'une autre donc sont en train d'impacter négativement donc la vie de la population nigérienne d'une manière générale. Moussa Boureima, ingénieur de recherche à l'INRA, quelles sont les spécificités de, et la nature de ces difficultés par zone au Niger Ces problèmes-là, de façon globale, mhm. on les rencontre partout. Mhm. Aujourd'hui, vous discutez avec des producteurs, ils vont vous dire euh, cette année, il n'a pas beaucoup plu. Mhm. Que ce soit dans l'Est, l'Ouest ou le Nord, n'importe où, ils vont vous dire que cette année, il y a des zones où il a plu. Et maintenant, les difficultés là, c'est vrai, ils le ressentent en fonction, chacun selon le milieu. C'est pour ça l'adaptation là. Les changements climatiques, je vous ai dit, c'est limité, c'est contextuel. C'est contextuel. Mm-hmm. Maintenant, si vous vous référez à la définition de l'adaptation, mm-hmm. parce que eux là, ils vivent des problèmes. Ils sont face aux problèmes climatiques mm-hmm. du changement, mais ils ne sont pas restés les bras croisés. Ils luttent c'est un problème qu'il a, mais il faut lutter contre ce problème pour manger, pour survivre. Si tu ne le fais pas, tu vas disparaître. D'où l'adaptation là. Mhm. Donc ils luttent, ils luttent. Les producteurs font des efforts, mhm. ils ont développé des stratégies. Et ces stratégies-là, mhm. c'est des stratégies adaptatives. Parce qu'ils s'adaptent contre quelque chose qui les dépasse. Troisième partie de cette euh, émission, partie du forum euh, consacré aux mesures d'adaptation au changement climatique. Moussa Boureima, ingénieur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique euh, du Niger. Qu'est-ce qu'on entend par mesures d'adaptation au changement climatique L'adaptation, c'est un processus mhm. par lequel une communauté ou un écosystème mhm. s'ajuste face aux changements et effets associés, n'est-ce pas pour euh, limiter les conséquences négatives mhm. et profiter des bénéfices potentiels. Maintenant, la stratégie, là, c'est une technique qui te permet de t'adapter à cette situation. Les petits trous là qu'on fait, tu connais les ailes, quand le sol est dur, mhm. on ne peut pas semer, il faut faire des petits trous, mhm. des petits poquets. Et maintenant, tu prends un peu de matière organique, tu mets dedans et tu sèmes dedans. Non seulement ça te permet de conserver de l'eau, quand il ne pleut pas beaucoup, au lieu que l'eau ruisselle, sur cette partie dénudée. Tu sais, quand le, sol est dur, quand il pleut, l'eau va partir. L'eau ne va pas s'infiltrer. Mm, mm, mm. C'est ça, non eh L'eau ne s'infiltre pas. Maintenant, l'eau là rentre dans le petit bassin là, le zaï, mm-hmm. et le producteur met de, la fumure organique dedans mm-hmm. et il sème dedans. Et vous allez voir que quelque chose qui est improductif, qui est perdu pour l'agriculteur, mm-hmm. il, il, va, il va avoir ça dedans. Et tu vois, comme mesure d'adaptation, il peut faire le zaï dessus. Il peut faire la demi-lune dessus. Aujourd'hui, il y a, la demi-lune, à l'origine, elle était pastorale. On le fait dans des sites aménagés, sur les sites pastoraux. Et aujourd'hui, il y a des demi-lunes agricoles où on peut mettre le mil, le niébé, le sorgho, et même le mil et le, et le niébé et l'arachide sur les, les, les, les, Comment je vais dire euh, Les brûlés. Mhm. Quand vous faites la demi-lune, il y a une, des bourrelets, vous pouvez le mettre. Donc là, vous voyez, c'est une adaptation. Mhm. Dans des zones où le sol est glacifié, vous pouvez le faire. C'est des mesures d'adaptation traditionnelles qui utilisent les Oui, traditionnelles. Mm. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des mesures d'adaptation, par exemple, qui nous sont venues d'ailleurs, mhm. que les projets de développement, les ONG ont travaillé, mhm. et, la recherche également. par exemple, les semences améliorées. Ça, c'est à relève de la recherche parce que nous avions constaté que les producteurs, comme on a parlé de l'arrêt brusque des pluies mhm. ou bien de la diminution de la et de la pluviométrie là, mhm. nous avions au niveau de l'Institut national euh, de la recherche agronomique développé des variétés hâtives, mhm. des variétés hâtives qui très précoces, c'est des variétés qui ne dépassent guère 70 jours rapidement. Vous allez au lieu dès que la, pluie s'arrête, vous, allez voir que ces, variétés ont bouclé le cycle et vous allez pouvoir produire. Je propose à présent de suivre quelques agriculteurs que nous avons interrogés à l'intérieur du pays, précisément dans la région de Tilaberi et de Zender. Ils nous expliquent les mesures d'adaptation qu'ils utilisent face au changement climatique. Suivez plutôt. On a fait la récupération des glacis, c'est-à-dire comme le sol est dégradé, on a fait des ailes, des demi-lunes, l'aréna dans le champ aussi. Les semences amurées précoces, c'est-à-dire le mil, le sorgho, le niébé, le sésame, ces mesures-là sont efficaces parce que pour éviter la disparition des semences, on a une date de semis. Dans la région de Tilaberi, on peut dire qu'à partir du 20 mai, début juin, l'hivernage est lancé. Ça, c'est du mille ça qu'on peut retrouver à l'Ikrizat ou l'Eneram et dans la durée de la récolte est de 75 jours les haricots 60 à 75 compte tenu des changements climatiques les méthodes traditionnelles de culture sont de plus en plus en cours de disparition au profit des techniques modernes les résultats sont plutôt encourageants. Nous prenons aussi des mesures modernes de conservation des cultures. Le monde change à cause des changements climatiques. Et nous, agriculteurs, avons aussi changé les méthodes de culture. Même si on ne peut pas utiliser tous les moyens modernes d'adaptation au changement climatique, nous utilisons quand même les semences améliorées à l'INERA, comme géré par les spécialistes de l'agriculture. Vous venez là donc euh, de suivre euh, quelques agriculteurs euh, interrogés à l'intérieur du pays par rapport aux mesures d'adaptation qu'ils utilisent face au changement climatique. Donc, Dr Moussa Hassan Husseini, chargé de programme à la structure Jeunes volontaire de l'Environnement, pensez-vous que ces mesures d'adaptation prises par ces agriculteurs euh, sont euh, efficaces Oui, euh, les adaptations sont efficaces. distinguer les deux variantes, notamment les adaptations qui sont internes, c'est-à-dire locales, ce qu'on appelle les adaptations à base communautaire. Et les autres adaptations qui sont externes viennent donc du soutien extérieur, notamment les, les, sémences améliorées, donc mhm. avec l'Institut, avec l'ENRA ou bien le service d'agriculture ou d'autres structures comme les CRISAT. Mhm. Cependant, nous, au niveau de notre structure, ce qu'on préconise de plus, c'est surtout euh, l'adaptation à base communautaire. Parce mhm. que cette adaptation-là, c'est elle qui a beaucoup plus d'ingrédients de, de durabilité. Mhm. Par exemple, quand vous prenez les traitements, surtout, par exemple, euh, des sols, euh, vous prenez les ailes. Les ailes, ce sont des techniques locales. Ce n'est pas, pas quelqu'un qui a inventé ça, mais mhm. l'avantage, c'est quoi C'est que quand on voit une pratique locale qui est faite, donc là, on cherche si elle est bonne. Donc c'est ça, on parle des bonnes pratiques. On cherche à vulgariser ça et à, mettre ça donc à une grande échelle pour que beaucoup puissent en bénéficier. Mhm. Le c'est le Niger, la source du Zaï. Mhm. Mais le Burkina, aujourd'hui pratiquent plus le ZAI que le Niger. De la manière dont le Burkina est en train d'utiliser le ZAI, nous, on n'en a pas. Si vous partez euh, dans la zone, par exemple, Zender, et surtout Tawa, vous n'allez pas entendre parler de ZAI. Vous allez entendre parler de Tassa. Et c'est la même chose. Et donc, ce sont des pratiques locales. Et donc, ce sont ces des pratiques-là, nous. Mais le problème qui se pose aujourd'hui est je ne sais pas si c'est lié à une stratégie de, telle ou telle structure ou bien à un mouvement d'ensemble déjà créé. Mhm. Le mal, en fait, par exemple, euh, vous allez voir quand une structure va intervenir, et c'est ce que nous avons beaucoup décrié. Mhm. Quand une structure intervient, par exemple, pour faire des ouvrages de récupération des terres, les paysans, ils sont payés pour faire cela. Et cela a créé une sorte, euh, une sorte de lecture auprès des paysans, comme si le travail qu'ils sont en train de faire, comme ils sont payés pour faire cela, c'est comme s'ils travaillent pour l'ONG qui est là. Mhm. Donc c'est pourquoi on a fait une campagne visant à sensibiliser les jeunes surtout à ce qu'ils comprennent que cette activité-là, déjà, il y a, des champions qu'on fait, on fait une sorte donc de jeu quiz pour euh, primer les champions de restauration des terres, par mhm. exemple. Et donc, surtout, c'est que la population puisse comprendre que les actions de récupération de terres qui vont contribuer à, la, une meilleure adaptation donc de l'agriculture face à la rareté de pluie, c'est pour eux. Mhm. Donc c'est pour eux et qu'ils n'ont pas besoin qu'une ONG ou bien une structure vienne pour leur dire venez faire les demi-lunes, venez faire les ailes, venez faire les etc. etc. C'est un moment où généralement ces ouvrages qui sont en train d'être faits, c'est par exemple actuellement euh, de quand vous prenez euh, février, mars, avril, mhm. mais bon, mais un peu, mais février, mars, avril, c'est trois mois, ce sont des mois d'inactivité et en milieu rural. Et c'est pendant ce moment-là que ces actions sont en train d'être faites. On revient donc vers Moussa Bouraïma, ingénieur de recherche à l'INRA. Moussa Bouraïma, quelles sont les principales mesures éprouvées qui permettent de s'adapter au changement climatique bon, vous savez, quand on parle de mesures, mhm. il y a des mesures endogènes, mhm. il y a des mesures également qui ont été introduites endogène, c'est local. C'est comme si les producteurs, je vous ai dit, les producteurs ne sont jamais restés les bras croisés face au changement. Mhm. Ils sont ingénieux. Mhm. Ils connaissent comme ceux qui ont fait les universités là. Mhm. Souvent, ils connaissent mieux que les, les, jeunes, les agronomes même, je te dis. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec ces gens. Ils sont très ingénieux. Ils ont développé face au climat. Parce que à, aucun moment ils ne sont restés attentifs. Ils n'ont pas, ils subissent, mais ils travaillent. C'est ça la résilience, n'est-ce pas Ils font des efforts, ils sont résilients. Maintenant, il y a des technologies ou des stratégies qu'on a vues chez les producteurs, on a amélioré. Mhm. Si vous voyez la demi-lune, mhm. elle est d'origine israélienne. Vous savez, Israël, là, ils ont des zones où c'est purement désertique. Ils ont maîtrisé ces zones mhm. désertiques avec l'eau et des réalisations mécaniques. Le zaï, là, le petit trou, là, elle est d'origine burkinabé. C'est au Burkina qu'ils ont commencé le zaï au Sahel. Nous, il y a un projet qui était resté au Niger, un projet qui s'appelle PIC. Acheta, c'est dans la région d'Ottawa. Et c'est une zone désertique. Il y avait un Italien qui était resté, qui est chef programme, qui s'appelle Carucci. C'est un Italien. Tout ce que vous voyez dans la zone, et il y a des écrits aujourd'hui, c'est lui qui a introduit toutes ces techniques-là, beaucoup de stratégies. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'agronomes, c'était autant de Kunche. Et aujourd'hui, si vous vous référez aux documents qui existent, vous allez voir tout ce travail qui a été abattu dans la zone de Tcheta. Et c'est une zone de référence aujourd'hui pour beaucoup de pays qui viennent même voir ce qui a été fait dans la région de Tcheta. À l'époque, on ne parlait pas de changement climatique. C'est vrai, on parlait beaucoup d'agriculture, euh, d'environnement, mais le concept même, on n'en parlait pas beaucoup. Maintenant, et depuis un moment, les producteurs, quand vous allez vers eux, les producteurs, ils font des stratégies, ils développent des stratégies, chacun dans sa sphère de compétences. S'il faut l'agriculture, ou le C'est tout ça là que la recherche et les ONG, quand ils voient, souvent ça peut ne pas être efficace ni efficient. Mhm. Et ils les aident à améliorer. Ils faisaient le défrichement amélioré, je vous ai dit. De tout temps, quand vous voyez le producteur, il vient dans son champ, il défriche, il arrange. Et quand il vient, il laboure là, mhm. il voit un arbre, une espèce qui est là, qui a poussé dans le champ, ils le contournent. Nos, parents, c'est ce qu'ils font. Mhm. Ils contournent un peu, ils laissent ça pour que ça pousse. Mais avec euh, la science, les gens se sont rendus compte que sur tel hectare, il faut laisser tel nombre de pieds. Mhm. Avant, les gens, et, ils coupaient beaucoup parce que on avait des outils aratoires avec lesquels on travaillait le champ qui, qui ne voulaient pas rencontrer des obstacles. Mhm. on coupait les arbres. Mais on s'est rendu compte que quand vous coupez également, il y a un problème. Parce qu'on sait que le, quand il n'y a plus d'arbres, les champs où il y a des arbres, vous allez voir la production est meilleure parce que par les feuillages et puis l'humidité que l'arbre retient et par euh, la préservation du substrat productif, le mil se comporte mieux dans ces champs que là où il n'y a pas d'arbres. Moussa Brahima, je vous ai entendu parler de l'agriculture intelligente. Face au climat. Mhm. L'agriculture intelligente, nous, depuis un moment, mhm. et on a un village, tout à l'heure, le, producteur qui a parlé, j'ai senti, c'est un de nos producteurs mhm. qui a parlé dans le Fakara. Et c'est un de Tilaberi, c'est le Fakara, Je sais qui c'est, j'ai écouté la voix. Donc, euh, depuis, c'est une, une, approche innovante et dont les trois piliers sont la sécurité alimentaire, l'adaptation et l'atténuation. Tu sais, nos pays producteurs, là, nous, nos, pays sahéliens du moins, mhm. on ne peut intervenir que dans l'adaptation et l'atténuation. Mhm. Il y a des grands émetteurs, des, pollueurs du moins. Mhm. C'est eux qui émettent les gaz à effet de serre. Donc, ils polluent. Eux, maintenant, vous allez voir, euh, aujourd'hui, on parle de, prix carbone. Ça veut dire qu'il y a des gens qui polluent là-bas, et vous, on vous donne de l'argent pour séquestrer du carbone. On vous donne de l'argent pour faire des plantations, notamment les pays de l'Afrique de l'Est. Même ici, je crois, il y a des projets hein, qui travaillent sur la séquestration du carbone. C'est de l'argent que les grands pollueurs, là, mhm. ils ont mis beaucoup d'argent en commun parce qu'eux, eux, ils polluent. Oui, Moussa, eh, existe des conditions préalables ou des difficultés pour l'adoption donc euh, de ces mesures euh, d'adaptation Si, non, en fait, il n'y a pas de conditions préalables. Mhm. Comme on le dit, mhm. il faut amener le producteur à croire et à. Il a parlé de sensibilisation. Je vais vous dire, nous, ce qu'on a fait dans le Fakara on est venu, on a pris des producteurs, on a pris 10 femmes, 10 mhm. hommes. On les a dotés de caméras et on les a fait déplacer. Il y a une approche qui s'appelle Ferme du futur. On a essayé de voir avec euh, la grimette. On a essayé de, sur la base de la pluviométrie et de la température, mhm. un village dans lequel, qui correspond, ça veut dire il y a une trentaine d'années, mhm. un village dans lequel le climat correspond au climat De, mhm. Et maintenant, on a pu déceler au Niger des villages dont et le climat, mhm. à l'époque où on devrait faire le déplacement, était exactement comme le climat d'une village dans lequel nous étions. Et on est parti avec eux en, voyage d'études. On est parti dans un village de la région de Tawa où, à l'époque, ils ont les mêmes réalités que le Fakara il y a 30 ans. Mais pour le savoir, il faut travailler sur le paramètre pluviométrique et le paramètre température. Et aujourd'hui, il y a un changement notoire mhm. dans ce village. À propos donc euh, des difficultés que rencontrent les agriculteurs en matière d'adaptation au changement climatique, euh, suivez donc euh, ces agriculteurs toujours de la région de Tilaberi et de Zander. Les difficultés auxquelles nous sommes euh, confrontés, c'est le manque de moyens matériels comme pour transporter les semis dans les champs, au moins c'est des charrettes, et puis les semences améliorées aussi. Mhm. Les plus vulnérables n'ont pas les moyens de les faire. Pour avoir les engrais aussi, euh, on a des difficultés pour ça. On a l'appui des partenaires, parce que comme l'UNERA, les et puis le Caritas, parce que le Caritas nous a mis un grenier. L'INERAN aussi nous a appuyé au niveau des semences améliorées. L'État aussi, des fois, le moment des semences, bon, il y a quelques années qui nous appuie au niveau des semences, comme le mythe. Nous sommes satisfaits des mesures d'adaptation au changement climatique, mais si on utilise davantage ces mesures comme les tracteurs, les champs produira plus, mais les moyens manquent pour l'instant. Nous sommes confrontés à un manque de suivi par les spécialistes. Personne ne vient visiter nos champs pour savoir ce qui marche ou qui ne marche pas. Nous n'avons pas aussi le soutien de l'État. Vous avez donc euh, suivi euh, quelques agriculteurs euh, sur les difficultés que rencontrent dans le cadre des mesures d'adaptation au changement climatique. Docteur Moussa Hassan Husseini, quelle est votre réaction oui, effectivement, euh, nous avons fait des thé débats avec des jeunes, euh, avec des, au niveau des FADA, avec des anciens, nous avons fait des débats radiophoniques. Ces difficultés-là qu'ils ont relevées, c'est assez réel, donc on, a déjà souligné cela. Et surtout, euh, le manque de matériel. Par exemple, quand on vous parle donc de ces ouvrages de récupération de terre qui vont permettre donc d'accroître les revenus, donc il y a certains qui n'en ont pas. Donc, par exemple, les ailles couplées aux engrais, ils disent qu'ils n'ont pas de charrettes pour amener les engrais organiques. On parle d'engrais organiques surtout, hein, il faut le préciser, mhm. euh, pour amener aux champs. Donc, ils ont parlé de ces difficultés-là. Mais euh, quelque part, donc, nous, ce que euh, nous leur disons, ce mhm. sont des fois des difficultés qui sont surmontables. Parce que la particularité de ces ouvrages de récupération de terre, on n'a pas besoin euh, forcément des gros engins pour venir mm. faire ces. Et nous avons les forgerons en milieu rural. Les forgerons peuvent vous faire le daba, il peut, la daba du moins, ils peuvent vous faire euh, tout la hache et consort. Donc les forgerons locaux peuvent le faire. Et donc je pense bien que ici, s'il faut même aller dans une dynamique où penser donc à avoir un appui crédit qui, à la fin de la récolte, donc la personne peut payer ses, ses, propres matériels et à la fin de la récolte, donc euh, il peut, voilà, à, crédit, il peut rembourser le crédit. Mais surtout, l'effet où euh, la sémence, donc là, c'est c'est là où, euh, c'est vrai, il y a des endroits où il manque de semences améliorées mhm. Il manque de semences à Ça, c'est surtout un plaidoyer qu'il faut faire pour renforcer l'action de ces différents instituts de recherche, en fait, à mieux intervenir ou bien mieux couvrir les différentes localités et bon, il y a aussi quelque part une réalité qu'il faut croire. Donc, euh, il ne faut pas être trop exagéré, mais des fois, ce sont des paroles qui se tiennent pour stimuler, mm. donc, euh, pour euh, marquer l'attention. Moussa mm. votre réaction bon, Ma réaction, oui, bon, moi, je pense que et l'État, et mm-hmm. les institutions, mm-hmm. et les ONG, et même les producteurs font de gros efforts mm-hmm. pour s'adapter. C'est nous qui avons, dans le cadre de ce programme, acheté des semences qu'on a donné aux producteurs. Et on identifie, et, là, quand on amène les semences, on fait des, champs de diversité pour qu'ils voient ce que nous faisons, toutes les semences, comment les semences se comportent. Et maintenant, c'est eux qui choisissent. Et nous, on, leur dit, conserver ces semences-là. Quand on les amène, ils produisent, ils les conservent pour pouvoir l'année prochaine doter certains, ceux qui n'ont pas eu, ou bien ceux qui n'ont pas bien produit. Les femmes on les a dotés également en cassia des, espèces de légumes feuilles qui, sont en voie de disparition dans leur zone. On leur a doté de cela. Aujourd'hui, vous venez autour du village, vous allez voir des semences qui ont disparu, des espèces qui ont disparu, on les a amenées. Mais chaque fois, on leur dit conservez la semence. Mhm. Et pour vous dire, même euh, l'INRAN, elle n'a pas vocation de produire de semences et de donner aux gens. Mhm elle produit des, semences. Et aujourd'hui, il y a des producteurs euh, semenciers privés qui sont agréés, qui sont connus. La semence a un coût. produire de la semence, c'est de l'argent. Mais l'INRAN appuie des structures. Aujourd'hui, le PASEC, il achète beaucoup de semences, il distribue dans ses zones d'intervention. Il y a beaucoup de projets d'ONG qui achètent beaucoup de semences qui dotent les producteurs. Et maintenant, les Food for Work hein, ou bien Cash for Work qui font là, que les projets font, c'est pour leur permettre aussi d'être sur place, de les mobiliser sur place, d'avoir de l'argent et d'acheter du petit matériel et des semences-là. Mais toujours est-il que le producteur, mhm. il a toujours besoin mhm. qu'il dise qu'il veut, mhm. en bon humain, quoi. C'est comme ça. <laughs> Mais je te dis, les gens font beaucoup d'efforts. D'une manière générale, comment améliorer les pratiques techniques de l'agriculture Ils font les pratiques. Maintenant, au niveau de la recherche et au niveau même des ONG, certaines ONG qui aujourd'hui se lancent dans certaines choses. Mhm. Ils voient les stratégies que le producteur fait. Si cette année, avec la stratégie, le producteur a eu telle production, il a pu produire telle, mhm. ils peuvent ramener ces stratégies et voir comment eux, ils peuvent l'améliorer à milieu contrôlé, mhm. arranger et puis retourner avec cette technologie. Vous voyez Donc c'est vraiment un processus, c'est des va-et-vient c'est pas du coup que la stratégie, mais on peut voir les petites lacunes quand le producteur le fait améliorer. vous savez, une technologie, un milieu contrôlé, peut bien se comporter. Maintenant, quand vous l'amenez dans un milieu, vous savez, un milieu contrôlé, je veux parler de la recherche, quoi. Que ce soit les universitaires, que ce soit les chercheurs, quand ils ont, ils mettent au point une variété, ils vont vous dire que cette variété, en milieu contrôlé, quand toutes les conditions sont remplies, elle peut donner 12 tonnes. 12 tonnes par hectare. Quand vous la prenez, vous la en milieu réel. En milieu réel, c'est chez le paysan. Même si ça cadre avec euh, les conditions agroclimatiques du milieu, il y a des, phénomènes euh, qui peuvent ne pas être exactement comme le milieu réel. Et quand il va, ils peuvent aller le suivre et l'améliorer. Et même également les ouvrages et même les ailes et tout ça, on peut l'améliorer. Comment on peut arranger Comment on peut arranger et progressivement on l'arrange. Comme c'est un processus, on l'arrange et on tend vers et quelque chose d'absolu, quelque chose de final. Donc c'est véritablement un processus. Docteur Moussa Hassan, à quoi se résument euh, les besoins des paysans en matière euh, de moyens de résilience Les besoins, c'est mm. euh, comment euh, faire véritablement pour, malgré euh, le contexte changeant, accroître le rendement euh, pour que ça puisse tendre à l'autosuffisance alimentaire d'une manière générale. Mhm. Et quand vous prenez aujourd'hui, même au niveau de la contribution déterminée nationale, les objectifs de l'adaptation, vous avez donc assuré la sécurité alimentaire, combattre la pauvreté, promouvoir la gestion des ressources naturelles et améliorer la résilience de la population et aussi des écosystèmes qui sont les milieux productifs en tant que tels. Donc c'est ça véritablement l'objectif, les soucis global donc de, en termes d'adaptation que nous pouvons retenir au niveau donc de la population. Moussa vraiment ingénieur donc de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique du Niger INRAN. Quels sont les obstacles et comment y faire face Moi je pense hein, les obstacles. Mhm. D'abord euh, l'homme est au départ du développement et il est à la fin mhm. du développement. Les obstacles et d'abord, euh, l'obstacle premier, mhm. c'est l'homme. On cherche à le développer, on cherche à l'amener à changer. Mais ce c'est pas évident qu'il veuille vouloir opter pour le changement. Il faut que le producteur mhm. soit d'accord, soit convaincu de ce qu'il fait. Un moment, on a commencé à travailler, ils sont partis, ils ont vu comment se fait la régénération naturelle assistée. On a des pratiques et on laisse trois brindilles. Quand vous, venez, vous trouvez une touffe d'herbe, vous choisissez les meilleurs, vous laissez trois, pour permettre aux femmes d'avoir du bois de chauffe et pour permettre également au feuillage aérien d'alimenter le bétail et également d'enrichir le sol, ainsi de suite. Mais les producteurs, quand ils ont commencé, ils ont vu un changement notoire. Un moment, nous, on a mis un petit temps, on ne partait pas dans le village. Mhm. Et maintenant, quand on a repris avec les producteurs, on a fait un tour dans les champs, on a constaté qu'ils ont commencé à abattre les arbres pour aller les vendre. On leur, a dit, mais écoutez, qu'est-ce que vous aviez vu de l'autre côté Qu'est-ce que nous, nous avions arrêté avec vous Ils ont dit, ah, ils ont travaillé, ils ont traversé une période de crise où ils n'avaient pas d'argent. Et certains se sont rabattus sur, eux. vous voyez, les arbres là, ils ont coupé. Vous voyez, donc, quoi qu'on fasse, qu'est-ce que, quelle que soit l'expertise des, ONG, des, gens qui animent les ONG, les institutions de recherche, si les communautés ne changent pas, il y aura toujours ce problème qui va se poser en termes d'adaptation. Ça veut dire, euh, réellement, il faudrait qu'on amène, qu'on puisse amener les producteurs à comprendre la nécessité de préserver l'environnement. Mhm. C'est ça, en fait. La préservation de l'environnement est une phase qui nous permettra en tout cas d'atteindre là où nous voulons en termes de sécurité alimentaire. Docteur Moussa Sanseni. Le dernier mot, c'est que j'ai, c'est vraiment un appel à lancer à, l'endroit surtout de la communauté locale mhm. qui est toutes les activités qui sont en train d'être faites. Donc, c'est pour véritablement son adaptation. Mhm. Dans certaines localités, le souci surtout, en fait, vous avez certains qui sont en train de faire la régénération naturelle à la cité, mais il vous dit que ils font, mais le lendemain, quand ils retournent dans leur champ, ils voient qu'il y a quelqu'un qui est venu, il a coupé mhm. les, les arbres. Et donc là, c'est une grosse campagne de sensibilisation par rapport donc à l'importance surtout de ces effets-là et aussi de voir euh, comment créer d'autres activités connexes. Là, je parle à l'endroit donc de toutes les autres structures donc qui interviennent dans ces genres de domaines de résilience et d'adaptation parce que ce qu'ils vous disent, il y a de certains villages vous disent en fait le moment où on fait surtout ces actions de restauration là, c'est pendant le moment où nos jeunes partent à l'exode. Donc là, il faut comment voir donc sur solutionner le problème d'exode qui est un problème très vaste. Donc là, c'est comment euh, faire en sorte que les populations, en fait, les braves valides puissent rester pendant ces moments, donc les occuper afin qu'ils puissent véritablement faire les actions de ces restaurations-là. Et quelque part aussi, il faut parler de l'appropriation, mm. surtout au niveau de la communauté, qu'elle sache que tout ce qui est en train d'être fait, c'est pour elle que les projets ou bien que l'État ou que toutes les autres structures qui interviennent, c'est vraiment pour elle, elle est en train de le faire que même si ces structures ne sont pas là, qu'ils puissent donc s'approprier ces différents types d'ouvrages et qu'ils puissent les maintenir à l'échelle de manière durable, même à l'absence de l'intervention de ces différentes communautés. Nous sommes donc euh, à la fin de cette euh, émission sur les mesures d'adaptation au changement climatique dans le domaine de l'agriculture au Niger. Nous étions donc en compagnie de Moussa Boureima, ingénieur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, INRA. Dr Moussa Hassan Ousseini, euh, chargé de programme de la structure jeune volontaire de l'Environnement. Merci donc à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Je suis Fatih Zakari à la présentation. La technique est assurée par Abdullah Yakouba.